et téléspectateurs donc, de IGFM. Euh, je salue tout le monde, donc euh, les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Alors aujourd'hui, euh, c'est le 8 mars. Alors, que représente le 8 mars ah, Le 8 mars représente énormément de choses. Donc, pour la femme en général, et la femme sénégalaise en particulier, en ce sens que c'est une journée qui nous permet de faire une évaluation par rapport à, ce qu'on a, euh, qu'on a pu obtenir, les acquis, et puis voir euh, comment les consolider, et également comment aller de l'avant, comment euh, faire de nouveaux acquis. C'est toujours un défi pour les femmes de pouvoir disposer donc, de lois qui, qui, qui, nous, qui, sont, qui, sont favorables. Mais également, euh, de pouvoir euh, voir euh, ce qui peut contribuer à l'épanouissement de la femme, également à, son, à son bien-être, en passant bien évidemment par l'autonomisation qui leur permettrait effectivement d'être des actrices de développement qui pourraient contribuer indéniablement à l'émergence du Sénégal comme le statut, euh, tout souvent et toujours d'ailleurs le président alors, globalement, est-ce que vous pensez que vos droits sont respectés dans ce pays euh, Oui, euh, le Sénégal fait partie des rares pays où les, où droits des femmes sont, respectés. Euh, je ne dirais pas que c'est le seul pays, mais je peux dire que nous n'avions pas les autres pays parce que nous avons de grandes avancées en ce qui concerne les droits des femmes. Euh, je peux un exemple, la loi sur la parité, euh, qui fait que nous sommes parmi donc, les, pays qui occupent les premières places donc, euh, au niveau mondial et au niveau euh, africain. nous avons une loi sur la parité, une parité absolue, qui a été votée. et, qui est, et qui est appliquée, même si nous constatons quelques manquements quant à son effectivité. aujourd'hui, nous sommes 109 femmes à l'Assemblée nationale. Alors qu'avant, nous n'aurons jamais imaginé que nous pourrions, nos femmes, avoir donc, euh, un nombre, euh, euh, avoir un nombre de femmes égal à peu près donc, à, celui des, hommes. hommes. c'est un acquis, qui est là, même s'il reste beaucoup de choses à, faire, à faire, des améliorations, parce que l'objectif c'est quoi C'est d'arriver à 50-50, ça veut dire arriver à une, parité euh, vraiment absolue. Voilà, donc nous avons également, c'est vrai, euh, il a relevé quelques manquements au niveau de l'Assemblée nationale, où nous avons, un bureau qui n'est pas paritaire. Également, les commissions techniques ne sont pas paritaires, où on n'a que deux commissions euh, dirigées par des femmes, donc sur 11 commissions. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, même si nous saluons les avancées également en ce qui concerne la loi sur la nationalité, c'est un, un, acquis, euh, dans la mesure où avant, la femme n'avait pas la possibilité de donner sa nationalité à son enfant et à son mari. Dorénavant, donc c'est une réalité ici au Sénégal, la femme peut bien évidemment donner à son enfant et à son mari la nationalité. Donc c'est autant vraiment euh, euh, une chose positive, favorable à la femme, et c'est l'occasion de rendre hommage à toutes ces femmes qui sont battues vraiment pour que euh, nous en arrivions à cette loi sur la parité. Et nous, les femmes, nous sommes les, principales bénéficiaires. Si aujourd'hui nous sommes à, à, à, nous sommes arrivés à être 69 euh, assemblées, c'est grâce à, ces pionnières qui ont été là, bien avant nous, et qui se sont battues. Donc, euh, c'est l'occasion également de les rendre hommage. les peux les Aouda les Lucie euh, les, les, les Aïda donc disons des femmes vraiment qui ont porté le combat et qui grâce à ces femmes-là, euh, nous sommes aujourd'hui arrivés à cette, euh, à cette parité qui est en voie d'être vraiment une réalité sur au À l'Assemblée nationale, dans le bureau, il y a la parité n'est pas respectée de manière absolue. Dans les commissions aussi, bon, ça fait un peu bizarre, puisque vous, vous êtes majoritaire, vous n'avez pas fait le blocage. Oui, effectivement. Euh, on aurait dû effectivement euh, disposer, donc avoir une majorité, une, parité au niveau des commissions techniques. Parce que nous, nous sommes de la majorité. Mais les textes n'étant pas. Euh, euh, euh les textes étant sujets à interprétation, donc, euh, euh, pour certains, donc, euh, la parité se limite au bureau et non à les commissions, alors que les textes ont été vraiment assez, clairs. Et c'est le combat que nous allons porter. Autant nous avons comporté le combat pour, avoir la parité au niveau du bureau, parce qu'avant, il y a deux, ans de cela trois ans de cela, il n'y avait pas la, parité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. C'est les femmes qui sont battues pour vraiment qu'on puisse arriver maintenant à une parité, même enfin, qui n'est pas totalement une parité parce qu'on est. Euh, pour les, si vous voyez, le 7e vice-président et 8e vice-président sont des hommes. Même s'il y a une avancée, on se rend compte qu'il reste également des choses à faire au niveau du bureau. Mais le plus, euh, le plus flagrant, donc ce qui est le plus euh, étonnant, c'est au niveau des commissions techniques, où nous avons 11 commissions, et aucune commission, il n'y a que deux commissions notées par les femmes. Alors que la loi sur la parité est assez claire que la parité, c'est au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, mais également c'est au niveau des commissions techniques. Donc nous interpellons le président de ça et son plaidoyer donc, que nous allons porter et nous allons commencé donc, à porter et à la prochaine, au prochain renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale qui aura lieu euh, parce que c'est tous les ans. Donc d'ici le mois normalement euh, d'octobre, nous allons à ce renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale et des commissions et nous espérons de tout cœur que le président Macky Sall puisse vraiment entendre au cri de cœur. Parce que lui, c'est le premier défenseur de la femme. Parce que je le dis toujours, le président Ablaï Ouad est le théoricien de la parité, mais le président Macky Sall est le praticien. Il a rendu effectif. Il aurait pu, aurait ne pas appliquer cette parité, mais il est allé beaucoup plus loin d'ailleurs. Donc, euh, vraiment, en, faisant de cette parité-là une réalité et à nos accompagnants à nos accompagnants parité euh, dans le bureau de l'Assemblée nationale, pourquoi pas au sommet, je m'amusais à voir un peu les, photos des anciens présidents de l'Assemblée nationale depuis les euh, indépendances pour qu'on voilà, c'est déplorable. C'est déplorable. Je pense que euh, nous y arriverons. Nous y arriverons. Donc, c'est pas facile parce que tout simplement, c'est dans la mentalité des Sénégalais, nos traditions. Donc, ce on ont toujours donc fait de l'homme l'élément euh, dominateur. Nous avons toujours eu ce complexe-là, donc euh, la femme a été toujours considérée comme inférieure à l'homme, même sur le, mais à ce le mariage. Toujours, donc euh, on, a toujours, on a toujours fait comprendre que l'homme était au-dessus de la femme. Maintenant, comme je disais tantôt, c'est pas à pas, pas à pas, donc nous allons euh, euh, nous avons enclenché euh, euh, des, batailles. Donc, d'habitude, jusqu'à présent, on est en train de les gagner avec la manière diplomatique, donc pas avec les armes, mais avec la manière. Donc, nous avons eu la qualité, et c'est sûr que la prochaine législature, ça ne me surprendrait pas, moi, que nous ayons une femme à la tête de l'Assemblée nationale. Donc c'est notre souhait et nous allons y travailler pour que le prochain président de l'Assemblée nationale mm. soit effectivement une femme. Vous êtes en train de comploter quoi Pas comploter, mais nous sommes en train, hein. allons y travailler parce que euh, les hommes, les femmes, comme je dis toujours que les, les femmes sont plus compétentes que les hommes. Ah voilà, nous avons plus de compétences que les, ah hommes, nous avons plus euh, d'assiduité et de régularité. Parce que déjà, euh, la configuration actuelle de l'Assemblée nationale séduit tout le monde. Dans la mesure où les journalistes, vous, assistez aux commissions techniques, euh, euh, également aux plénières, vous avez vu la qualité se dégage, que les femmes vraiment sont, très compétentes, très, très engagées également, bien outillées. Donc elles sont en mesure de porter les préoccupations des Sénégalais avec la manière donc avec beaucoup d'élégance donc, et de classe au sein de l'Assemblée nationale. Ces femmes-là donc, pourraient bien évidemment diriger cette auguste assemblée. Alors pour cette journée, c'est quoi le programme euh, Oui, pour le, pour le programme euh, du 8 mars euh, du Sénégal, donc au stade Iba pour que nous puissions donc, célébrer cette journée ensemble et en présence du chef de l'État. Voilà, le président Macky Sall serait là-bas avec vous nous allons communier. Donc, euh, il sera avec nous. Donc, ça euh, euh, ce l'occasion également de, souligner quelques, donc, pas problème, les, souhaits, des femmes, voilà, par rapport certainement à, certaines, à certains domaines. Pourquoi pas la parité au niveau du gouvernement C'est possible. Il faut la parité C'est pas trop demandé, madame. C'est pas trop demandé. Ah oui, vous avez l'Assemblée, vous avez le gouvernement, quand même, c'est... C'est un peu costaud. C'est pas costaud. Euh, je, veux vous dire, le, président Macky Sall, quand il était Premier ministre, il a été le premier à, à, à, vraiment initier euh, le fait que des femmes soient militaires. Voilà. C'était son, euh, initiative. Oui, oui, bon. donc, donc si une femme peut être militaire, si une femme militaire pas au front, mais militaire dans, <laughs> dans la base Mais, les femmes pourraient aller au front les femmes sont très courageuses. Ah oui les femmes sont très courageuses. Mm. Oui, des fois vous voyez un homme qui est avec sa femme ou un homme qui est avec sa copine, <laughs> un agresseur qui débarque et qui l'homme prend la tangente. Mm. Ça, ça on le voit ah <laughs> Parce que c'est. Mais ça, c'est le cinéma, hein, Pas au cinéma, c'est Non, non, non, non. non. Une il y a Sénégal hein. ah Vous di wax ñam woon wóor. ban góor lañ fi tudd. yu bëri laaj na la ko <laughs> ay na ban góor ana ana fu ngeen nekkoon ngeen. ba famille famille Ndeer di taal seen bopp ana woon góor ña. ñu woon fii de. bu ngeen fa nekkoon du ngeen taal seen bopp. <laughs> ñu woon ci àll bi waaw jigéen ñi loolu fit ak jom fit ak jom weesuwul loolu. feesul nga taal sa bopp ndax sa dignité. donc loolu moo waral jigéen Sénégal ay jàmbaar donc waxuma la gouvernement sax waaye euh, parti gouvernement sax. waaye parité fu mu ko mën a teg ci institution yi sénégalaises yëpp yaakaar naa jigéen ñi yàq dinañ ko mën a téye téye nu mu mën a waxee te président Macky Sall am nañ ci mu yaakaar que ne euh, loolu tamit dina ci taxaw bu baax a baax. maa ngi vidéo tamit président ah pourquoi pas mais pas nag pas léegi mm. bu président jeexalee deuxième mandat ñaari ñaari mandat yi mm. bu 2024 jotee ba président jeexal ñaari mandat yi pourquoi pas. Mm. jigéen war naa mën a jiite Sénégal. waaw ah, yow am nga parti de mbaa. voilà ah pourquoi pas le président Macky Sall kenn dina fi gàpp dama koy gunge rek bu dee xale ñaari mandat yi eh. pourquoi pas eh. war naa mën a nekk présidente ah, ah. parce que am naa compétence ak xarañ ak ah. bëgg-bëgg Sénégal askan bi Sénégal mm. bëgg a liggéeyal Sénégal mm. waaw waaye fi mu nekk ne tant que président mu fi bëgg mm. nañ ko gunge rek ba mu am deuxième mandat au premier tour nag premier tour doo ko wax leneen loolu beneen kii la de premier tour moom lu eh. bilan bilan yi am mën na ko koo may mm-hmm. ndax liggéey na ko

mu dem ci retraité yi tamit jël li nga xam ne mooy seen pension yokk ko ñu kontaan ci loolu ñoom tamit mu jël li nga xam ne mooy tout tànk yi bu ñuy dem ci hôpital yi duñu fay zéro ba cinq ans tey boo demee tey gox bu mel ni fa ma dëkk muy kaw rek da ko dafa am fa am ñu woy désenclavement gox yi amoon yëpp jafe-jafe pour nit ñi dem ak dikk dafa yomb tey ji na Fatick Kaolack baa ngi nii baa xam na nga dem ñoo dingi raay loolu yëpp mu defar ko PUDC mi indi tas na dëkk nga ñëw xool pour programme Promoville bi tamit donc habitat mu def ci lu am solo donc kon kooku euh, yaakaar naa ne euh, sénégalais yi leneen lañ mën a mooy mu toogaat. presse bi moo des moo si des mu toogaat parce que presse ban seen code la presse bi léegi mu kii na li fi def kenn defu ko fi. léegi mu appliqué ko jeex na code de la presse ay fan mu néew mu jeex waaw loolu kay alhamdulilah. Ok, donc euh, moi je vous souhaite euh, bonne fête. Merci beaucoup, merci. Merci à hein. Ona. Donc c'était l'invité très spécial 8 mars. Madame Margan côté, député à l'Assemblée nationale, présidente du parti. UDSA. UDSA. Voilà, merci. Bien, <laughs>